le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Il est 18h15 dans ce studio. Merci de rester à l'écoute des programmes de Studio Kalangu. Très ravi de vous retrouver. Nous sommes mercredi 1er mars 2017 et c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien tous les soirs du lundi au vendredi. Les questions foncières, agropastorales et alimentaires constituent des enjeux majeurs pour le Niger afin de répondre aux défis de la gestion des terres et des ressources naturelles. Le Niger a mis en place un code rural pourquoi et comment a-t-il été créé, le point des activités agricoles et pastorales, le contenu de cet ensemble de règles juridiques, comment réduire la fréquence et la violence des conflits fonciers, c'est tout, c'est de tout cela dont il sera question ce soir dans cette émission. Ils sont quatre avec moi pour débattre de ce sujet. Aruna Toudjani du Code rural, Aruna Abarchi de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger à Rennes, Jibo Banya, coordonnateur de la plateforme paysanne, et Dandakoy Eliassou, chargé de programme de Moribène aux fédérations des unions des groupements paysans du Niger. Messieurs, bonsoir. Merci euh, d'avoir accepté euh, cette invitation. Euh, cela dit, il est important de rappeler que nous sommes à un espace d'échange d'idées. Par conséquent, il est souhaitable qu'il n'y ait aucune stigmatisation ou agression verbale. chers auditeurs, merci également à vous pour votre fidélité. Au micro, Diallo Maria Makenda. L'élevage, deuxième activité des Nigériens après l'agriculture, le pastoralisme au Niger représente la richesse nationale. Vous confirmez Aruna Abarchi de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger à Voilà, merci madame. merci de nous avoir invités euh, pour, ce débat qui est quand même un bon cadre pour échanger euh, sur cette situation que nous vivons très souvent. Vous avez bien dit élevage, deuxième activité. Hein. Moi, je pense que c'est peut-être, ça dépend des sources. L'élevage est pratiqué euh, avec, plus de 87% de la population nigérienne, alors que l'agriculture, euh, c'est moins, moins que ça. Donc, à vous d'apprécier. Et puis, même en termes de revenus, eh bien, c'est aussi clair. L'élevage constitue la deuxième source d'exportation. Et pour, que ça, pour exporter, il faut que ça suffise d'abord. Donc, voyez-vous, après les, richesses minières, c'est l'élevage qui vient. Vous l'avez dit, on aura le temps de l'apprécier. Nous avons aussi le secteur de l'agriculture qui est présent. Alors, euh, nous retournons vers, euh, bien sûr, Jibo Beignan, président, euh, coordonnateur, pardon, de la plateforme paysanne. Donc, on parlait de l'élevage. Oui, bon, merci. je voudrais d'abord vous rappeler que je suis le président de la plateforme paysanne du Niger et mon organisation regroupe euh, donc les deux organisations qui sont là, Mouriben pour l'agriculture et Arène euh, pour euh, l'élevage. Donc <laughs> moi je suis bien placé pour comprendre les deux activités. Effectivement, le secteur de l'élevage est un secteur important. C'est vrai que il faut reconnaître que les politiques agricoles euh, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Dans le temps, on a toujours utilisé la politique agricole. Du coup, ça a fait que l'élevage a été marginalisé. Alors aujourd'hui, euh, au niveau de la CDAO, au niveau de la plupart des institutions, euh, que ce soit régionales ou internationales, on utilise la politique agricole, agro sylvopastorale et halieutique pour prendre en compte l'ensemble des, dimensions des secteurs que nous sommes en train de, euh, promouvoir. Alors donc, que ce soit euh, l'élevage, euh, si les politiques prennent des dispositions pour promouvoir le secteur, naturellement, ça peut être le premier secteur où ça dépend de ce qu'on veut faire de ce secteur-là. Alors, Monsieur Aruna Monsieur Dandakoy Iliassou, vous êtes donc euh, le chargé de programme de Moriben, Fédération des unions euh, paysannes du Niger. Qu'avez-vous à répondre <coughs> bon, bon, bonsoir. ce que j'ai à dire, c'est que, en fait, on peut se dire que l'élevage est, l'élevage est vraiment important, je suis d'avis. Mais ne perdons pas de vue qu'il a dit que 80% des Nigériens eh, pratiquent l'élevage. Donc, vraiment, eh, les agriculteurs sont des éleveurs, les éleveurs sont aussi des agriculteurs. C'est ça euh, la situation du Niger. il n'y a pas d'éleveur eh, qui fait strictement l'élevage, c'est trop rare. Et a pas, on ne peut pas trouver aussi facilement un agriculteur qui ne fait que de l'agriculture. Alors, nous avons aussi avec nous le code rural représenté ici par M. Aruna Toudjani. Donc, le code rural s'y connaît aussi, puisqu'il travaille avec ces, deux euh, acteurs euh, dans, ces deux secteurs. Oui, bonsoir. Je remercie tout d'abord le studio Kalangu de l'opportunité qu'on nous offre là pour venir parler de ce thème très important pour le Niger. Alors, je, vais en tout cas euh, prendre les deux, on appelle, euh, positions, moi je dirais que l'agriculture et l'élevage, c'est comme un seul véhicule qui a deux, en tout cas, euh, comment on appelle, volants. Les deux chauffeurs sont obligés de, de, se serrer les coudes. pour pouvoir virer à gauche ou à droite. C'est vraiment les deux mamelles de notre économie. Alors le code rural euh, est au centre de tout cela je profite de l'occasion en tout cas de dire pourquoi d'avoir un code rural. Alors, nous allons revenir sur cette question un peu plus tard. Euh, pour l'instant, nous allons avancer avec ces deux secteurs pour faire euh, euh, le point dans ces deux secteurs. je commencerai par Aruna Abarchi de, de, la Reine. Pour l'année 2016, quel est le point qu'on peut, le bilan qu'on peut faire des activités pastorales Ok, en tout cas, pour ce qui concerne le bilan pour euh, le secteur de, l'élevage, il a été véritablement déficitaire. Nous avons, en tout cas, toutes les évaluations ont été faites aussi bien par les services compétents de l'État que les autres structures, notamment nous autres structures de la société civile, mais aussi autres institutions des Nations Unies. Et il s'est dégagé un déficit de 12 millions de tonnes de matière sèche. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même, en termes de bilan, au niveau alimentaire un, bon déficit. Autre chose, nous avons aussi des problèmes au niveau sanitaire parce que nous avons, euh, en tout cas pour cette année, vu l'apparition de la, fièvre de la vallée du Rift, mais aussi d'autres épidémies, des épisodes plutôt, qui sont là et qui perturbent la productivité des animaux, qui perturbent véritablement la production animale. Autre chose qui a impacté véritablement le secteur, c'est aussi la chute de la Naira. Donc il y a une mévente sur les animaux, une chute drastique des prix sur, les animaux. Donc, ce qui, du coup, met quand même vulnérable tous ceux qui produisent dans ce domaine de, secteur, notamment l'élevage. Donc, voilà en termes de bien. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas du tout rose au niveau de l'élevage pour ce qui concerne ce qui s'est passé durant l'année 2016. Monsieur Gibault Bagna, président donc de la plateforme euh, paysanne, que peut-on dire du cheptel et des différents types d'élevage Bon, peut-être que moi je serais plus à l'aise quand on me demande un commentaire par, rapport à, aux deux euh, secteurs. Parce que sinon, je serais très mal à l'aise de regarder un peu mais ce que je pourrais dire ou bien ce que je pourrais compléter. C'est progressivement. progressivement, Vous allez avoir aussi le temps de parler de l'agriculture. vous en faites pas. par rapport, pour compléter ce que Haroun a dit, il faut reconnaître aujourd'hui ce que. Moi, je retourne toujours au niveau des politiques. Quand vous prenez aujourd'hui le secteur de l'élevage, la plupart des zones qui sont réservées pour ce secteur-là, c'est des zones complètement abandonnées. Soit c'est abandonné parce qu'il y a l'insécurité alimentaire, soit c'est abandonné parce qu'il n'y a pas de l'eau, ou bien c'est parce que c'est des zones où on ne peut rien produire, ou bien c'est des zones où le pâturage qu'il y a n'est pas appétissant. Alors, dans le temps, qu'est-ce qui se passait Ce qu'il y avait au nord, euh, il y avait véritablement de la place où les éleveurs pouvaient aller en transhumance tranquillement, ou faire leur transhumance et revenir pendant les récoltes. Maintenant, il n'est plus possible d'aller dans ces zones-là à cause de l'insécurité alimentaire. L'autre élément qui est, aussi fondamental, c'est le ramassage de la paille aujourd'hui. Il faut reconnaître que quand vous regardez, vous allez à l'entrée de la ville de Niamey, c'est des charrettes et des charrettes qui viennent chaque jour. Donc c'est ce fourrage-là qui est en train d'être ramené dans le gros centre. Alors donc du coup, ça affecte aussi euh, l'élevage. Quand on prend aussi au niveau euh, de l'alimentation à bétail, Bon, c'est vrai qu'au niveau du secteur euh, agricole, il y a des boutiques euh, des, banques céréalières, mais les boutiques aliments bétail ne sont pas encore au niveau des zones de production. Il n'y a pas suffisamment de boutiques d'aliments à bétail. Donc c'est pour cela que je pense qu'à ce niveau, il y a encore un effort à faire. De la même manière qu'on fait les cultures de contre-saison, on peut aussi faire aujourd'hui des cultures pour les fourrages, ne serait-ce que pour les animaux, euh, à lait qu'on peut garder au niveau euh, des, villes. Donc je pense que si on mettait suffisamment d'accent, de ressources au niveau de ce secteur, aussi bien au niveau de la recherche, parce que la recherche aussi peut faire aussi des efforts pour, en tout cas soutenir le secteur de l'élevage. En tout cas, M. Jibo c'est bien parce que vous avez déjà anticipé sur les perspectives. C'est bon pour nous. Donc, euh, on revient avec euh, M. Dandakoui euh, Iliassou pour parler donc du point, pour faire le point dans, le secteur de l'agriculture. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas les chiffres hein, pour ne pas mentir. Mais bon, en ce que je sache, euh, ça veut dire que niveau macro, je ne peux pas dire quelque chose, mais niveau micro, où on intervient dans un certain nombre de villages, de localités, en tout cas, je peux dire que c'est mitigé par rapport aux localités dans lesquelles nous intervenons. Je m'en vais pour preuve, bon, l'État dit que c'est excédentaire, je ne sais pas quel est le tonnage en termes d'excédent, mais en tout cas, euh, il y a vraiment des zones qui n'ont pas du tout produit, pratiquement pas comme Danchandou, comme Goroual, tout le Goroual, en tout cas, ça ne va pas. Alors, M. Toudianou, vous pouvez euh, ajouter quelque chose à ce que vient de dire euh, M. Dandokoui en ce qui concerne euh, donc ce point Alors, vraiment, le point sur l'agriculture, je crois que je ne vais pas, en tout cas, m'hazarder à dire en tout cas, euh, euh sais pas. Alors donc je me retourne vers euh, Jubo parce que là je le vois, il est, pressé pour intervenir et donc ça veut dire <laughs> qu'il peut nous donner les bons <laughs> chiffres. Non, non, en fait, bon, parce que bon, pour vous donner des chiffres, c'est encore, comme il l'a dit, c'est trop hasardeux. Parce qu'au niveau des organisations paysannes, nous nous donnons notre opinion. Il revient à l'État de donner des chiffres. Alors, quand on regarde, on fait l'analyse, euh, ce que l'État donne, c'est le cumul de la saison hivernale plus les cultures de contre-saison. Donc, du coup, ils ont un mécanisme de calcul pour dire que soit l'année est déficitaire ou pas. Mais en observant ce que nous disent nos représentants au niveau de différentes régions, il y a véritablement des difficultés. je vous donne juste des zones comme Wallam. Nous avons des villages où, toute l'année, je dis toute l'année, ils n'ont même pas sémé. Bon, quand un agriculteur n'a pas sémé, on ne peut pas lui demander de dire qu'il a récolté ou pas ça veut dire qu'il n'a pas récolté. donc, climatique. Euh, donc là, ça veut dire que et nous avons enregistré aussi des paysans qui ont dans le même champ une partie est arrosée, l'autre partie n'est pas arrosée. Alors, et nous avons aussi dans la plupart de, nos régions, dans différentes régions, il y a des zones où il n'y a, a, pas eu de. en tout cas, la campagne n'a pas été bonne. C'est clair, clair que dans d'autres localités, on aura enregistré des productions qui sont supérieures à la production de l'année dernière. Alors, donc, maintenant, prenant en compte les cultures de contre-saison, puisque maintenant c'est devenu la vraie culture, on peut, quand on fait le cumul, peut-être qu'on peut dire que euh, la campagne peut être euh, espérée bonne. Mais je dis encore, il y a véritablement des difficultés, que ce soit à Tilaberi, que ce soit une partie de Dosso, ou que ce soit une partie de Tawa, ou que ce soit à Agadez, ou dans l'ensemble des huit régions du Niger, il y a des localités où la production a été très mauvaise une, intervention, M. Monsieur Dandako Iliassou de, Mouriben. Oui, mais moi je vais faire ressortir vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est vraiment l'évaluation de la campagne. Et le plus souvent, les agronomes qui s'y adonnent à cet exercice-là, qui s'adonnent à cet exercice, eh, se basent sur le cumul pluviométrique. Or, c'est faux, c'est erroné. Pourquoi Parce que la pluviométrie n'est pas le seul facteur de production. Il y a, en dehors de l'eau, il y a la richesse du sol. Si le sol n'est pas riche, même s'il il pleut 1000 mm, c'est zéro. il y a également les moyens, euh, les moyens de production, c'est-à-dire il faut avoir soit euh, de la main-d'œuvre familiale, si tu n'en as pas, il faut aussi avoir vraiment euh, euh, de l'argent pour vraiment utiliser ces gens-là comme manœuvre. Donc il y a plusieurs facteurs, ce n'est pas seulement l'eau. Donc les gens se basent surtout sur l'eau pour vraiment extrapoler et dire que c'est excédentaire. Moi, vraiment, je me dis, je suis aussi agronome. Bon, je n'ai pas vraiment le, pouvoir de, de, de contester, mais en tout cas, au niveau de ce studio, je peux dire que vraiment, je ne comprends pas. Bon, par rapport à ce que l'autre a dit, que l'agriculture et l'élevage constituent vraiment une même, euh, comment dirais ce sont deux secteurs qui doivent aller ensemble. En tout cas, c'est vrai, je suis d'avis avec vous, étant donné que, bon, vraiment, l'agriculteur a besoin vraiment des déjections animales pour mieux produire. Et l'éleveur aussi a besoin de produits agricoles pour mieux euh, nourrir son, euh, son animal. Et donc, euh, vraiment, c'est pourquoi nous, ces dernières années, en tout cas, on pense à une autre manière de pratiquer l'agriculture. Monsieur Aruna Abarchi de, de l'Arène, rapidement, nous allons parler avec vous donc du cheptel et des différents types d'élevage, mais vraiment rapidement, on a juste quelques secondes pour cette partie. Ok, vraiment, vous savez, au Niger, l'élevage est surtout de type extensif. Donc c'est surtout le pastoralisme et c'est lui qui alimente les autres systèmes d'élevage, notamment le ranching et l'élevage sédentaire. Donc c'est ça le système qu'il y a. Il y a aussi l'aviculture qui est là, qui n'est pas comme négligeable parce que ça apporte assez de revenus, surtout pour, pour les, les, femmes. Donc voilà ce que nous avons comme système d'élevage au Niger. Le pastoralisme d'abord qui est le principal, l'élevage sédentaire et le ranching, donc ce qu'on appelle l'élevage intensif. Donc il est, tout est là, mais malheureusement pour quand même essayer de soutenir le secteur, il faut vraiment soutenir celui qui alimente les autres, donc le pastoralisme. Voilà ce que j'ai à dire. L'un des problèmes rencontrés dans ce secteur, euh, on a essayé un peu, euh, je sais bien que vous êtes euh, un peu pressé pour qu'on en parle, et c'est justement après un son que vous allez entendre, et cela s'est produit récemment plus au sud, dans la région de, de Difa, un conflit qui a opposé éleveurs et agriculteurs le 22 dernier. Deux morts, quatre blessés, dont deux par flèche. C'est le bilan de ce conflit dans le village de Loro, de la commune rurale de Tchétimari. Selon le maire de Tchétimari, les éléments de la patrouille mixte de la zone sont sur les traces des assaillants qui ont pris la fuite. On écoute ses explications. Le maire de Tieti de, de Loho, d'Ibrila Malam Kalla, joint au téléphone par Moussa Hassan. Dans la journée d'hier, il y a eu une confrontation entre éleveurs et agriculteurs. Ressortissant de Orwaram, au niveau du village de Lou, c'est là qu'il y a eu la confrontation. Sur place, il y a eu un mort, un blessé gravement, deux fléchés et un autre blessé au bras. Vers 16 heures, le e, préfet de Difa était venu me trouver à Chitouari. Nous nous sommes rendus sur les lieux. Le mort, on l'a déposé à Zarwaram pour organiser l'enterrement. Les blessés graves là et les autres, le préfet les a transportés dans son véhicule à l'hôpital de Diva. Mais celui qui est gravement blessé là, on m'a dit qu'il est décédé lui aussi. Donc il y a eu deux morts, quatre blessés. Mais toujours ce côté agriculteur qui sont les victimes. Les éleveurs, on les a même pas trouvés, ils ont suivi. Ils les chaises, ils ont utilisé les coupes-coupes et autres, mais après ils ont suivi, les a pas retrouvés. Ils seront poursuivis. L'enquête est en cours. Ils ont fait un peu le mariage là, dans leur champ. Donc c'est ça, les animaux viennent brouter, puis la bagarre a éclaté. Le maire d'Ibrila Malam Kalla joint au téléphone par Moussa Hassan. Tantôt c'est les éleveurs qui sont indexés, euh, tantôt les agriculteurs. Nous allons tenter donc de comprendre tout ceci et je vous rappelle que nous avons le code rural parmi nous, en la personne de Tidjani Aruna. Et donc, euh, nous allons euh, essayer de savoir avec Tidjani Aruna c'est quoi le code rural, le processus donc de création et le contenu de ce code. Merci beaucoup. Euh, c'est une très bonne question. Le code rural, c'est vraiment une structure de l'État qui est là pour prévenir les conflits fonciers, pour soutenir les producteurs à une gestion moins conflictuelle, pour une gestion durable des ressources naturelles. Alors pourquoi le code rural c'est face à des constats. On vient de tout de suite d'écouter, en tout cas, un conflit qui a enduré des familles. D'abord, c'est un constat de multiplication des conflits, les risques de conflits latents et des conflits ouverts. Nous avons un constat de dégradation des ressources naturelles. Nous avons un constat d'augmentation rapide de la population. Nous avons une superficie de 1 267 000 km qui reste stable, mais sur ça, nous avons de plus en plus d'augmentation rapide de la population nous avons en tout cas plusieurs problèmes. Face à ces problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire Une interrogation. Alors les dirigeants d'antan ont pensé qu'il faut mettre les acteurs ensemble pour pouvoir juguler ou trouver une solution, en tout cas pour ces problèmes-là. C'est ainsi que plusieurs séminaires ont été organisés, d'abord à Zander sur la stratégie d'intervention au milieu rural, à Maradi sur la lutte contre la désertification, à Tawa sur la promotion de l'élevage. Un peu partout, il y a eu des séminaires et à l'issue de ces séminaires-là, il y a eu ce qu'on appelle des recommandations. Alors, M. Toudiane à Arona, quels sont les acteurs Vous avez dit plusieurs, tous ces acteurs. Quels mm. sont les acteurs qui euh, sont concernés dans le code rural Très bien. Donc, je suis en train de vous amener vers d'abord l'historique de la création. Je suis un peu pressé. Voilà, je comprends. Donc, c'est vraiment ces acteurs-là et les recommandations de ces séminaires-là. On dit voilà, il faut un code rural pour le Niger. Et les acteurs, c'est tout le monde le Côte d'Ivoire a, plusieurs visages. Nous avons d'abord les producteurs, nous avons les structures de l'État, nous avons la société civile, nous avons les organisations paysannes, nous avons tout ce beau monde-là qui doivent animer ce Côte d'Ivoire-là, qui, du niveau village jusqu'au niveau national, on les retrouve. Ah. Allez-y. Alors, normalement, si nous appliquons les textes, que nous-mêmes on a dit, on a, on, a, essayé de faire ensemble, nous ne pouvons pas avoir des problèmes. Alors pour les appliquer, on va devoir connaître ces tests. Et euh, avant donc de poursuivre avec vous, euh, je donne la parole à Monsieur euh, Dandakoy Iliassou, donc de, de, de Moriben. Et qu'avez-vous dire sur ces conflits Vous venez d'entendre ce son. Bon, en tout cas, je dirais que c'est, c'est, comment on peut l'appeler, je suis désolé, quoi, que vraiment il y ait des conflits euh, au, 21e siècle. en début du 21e siècle euh, sur euh, l'utilisation des ressources. Je suis d'accord que vraiment il y a pression démographique, mais toujours est-il qu'on peut résoudre le problème d'une autre manière que de se tuer ou de se blesser inutilement. Alors, Et il faut se dire aussi que des vrais problèmes résident en dehors de, c'est-à-dire au lieu de se mettre en conflit, autant être ensemble pour résoudre ensemble les problèmes qui tournent autour de la dégradation des ressources naturelles. Parce que si on ne fait pas attention, le patrimoine même est en voie de disparition. Donc, autant se focaliser sur comment sauver ce qui existe, euh, l'existant, que vraiment de vouloir se tuer ou bien de vouloir se, blesser inutilement. Aruna Abarchi, donc de, la Reine, euh, ces conflits, euh, vous les avez vécus tantôt. Et donc, euh, dites-nous un peu quelles sont les raisons qui, amènent à, ces conflits. Ok, vous savez, à mon sens, c'est une question, en tout cas, d'application des textes qui amène ce conflit. Pour le cas d'espèces, notamment le cas Adifa, voyez-vous, vous, l'avez bien dit, du moins le maire l'a bien dit, c'est bien des cultures de maraîchage. Et les textes du Code de rural ont bien dit que toutes les cultures faites en dehors de la saison de pluie doivent être protégées. Voyez-vous, si ce n'est pas protégé, il y a une responsabilité quelque part. Je ne dis pas que ça justifie nécessairement un dégât. Néanmoins, s'il y a dégât, c'est aussi de se calmer et de suivre la voie légale pour réparer ces dégâts. Malheureusement, c'est ce qui n'est pas en train d'être fait souvent. Pour le cas d'espèce, il y a eu des cas, dégâts, et le petit qui a commis le dégât a été bastonné et ça, lui a coûté la vie. Donc c'est là où ça a commencé et il y a eu donc euh, contre-attaque de l'autre côté. Donc c'est pour dire que les gens doivent faire preuve de grandeur en termes d'esprit pour pouvoir dépasser certaines manières de vouloir se faire justice. Alors même qu'il y a des textes que le code rural à diffuser, hein, qui ont été consensuels dans leur rédaction et jusqu'à leur, leur acceptation. Donc c'est ça en fait. Et les gens, si vous regardez bien, c'est que c'est même ce qui est dommage, les gens tendent à ethniciser le conflit agriculteur-éleveur. Alors, on va revenir donc sur cet aspect. Euh, nous sommes avec le président de la plateforme paysanne, Djibou Benya, pour parler des textes, mais de, de, qui en réalité euh, ici, dans le cas d'espèce, euh, M. Aruna Barchi de la Reine a précisé qu'il faille protéger ces agricultures. Qui doit le faire Oui, bon, euh, d'abord, je, tiens à présenter mes condoléances pour euh, les pertes que nous avons subies dans la région de, de Difa. Il faut reconnaître, comme il l'a dit, nous avons élaboré des textes et qui a impliqué l'ensemble des acteurs. Donc, dans les acteurs, j'ajoute en dehors des producteurs qui sont agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, il y a la chefferie traditionnelle. Il y a les autorités, les préfets, les maires, il y a, la justice, il y a les députés. Donc c'est tout ce beau monde-là qui est autour euh, de l'application de ces textes. Alors moi, de mon point de vue, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à appliquer les textes C'est vrai qu'aujourd'hui il faut reconnaître que les ressources naturelles se raréfient, les terres ne, ne s'augmente pas. Euh, il y a aussi l'augmentation de la population. Chacun veut occuper, l'agriculture veut occuper du terrain, l'élevage veut occuper du terrain, d'autres aussi activités veulent occuper du terrain. Les villes se gonflent. Alors, si les gens ne font pas attention, c'est clair qu'on risquerait de monter les gens contre les uns contre les autres. Parce que je ne comprends pas, parce qu'un animal est rentré dans un champ, cela ne doit pas coûter la vie de l'éleveur. L'éleveur qui fait des dégâts je ne comprends pas pourquoi lui aussi va tuer l'agriculteur. Alors, c'est toute là la question, justement. Et, pour répondre à, cette question, avant euh, de, venir à, cette réponse, vous parliez tout à l'heure de tout ce beau monde autour du code rural. Et M. Toudjani Aruna, comment, quel est le processus dans ce code rural pour régler hein, ce conflit Très bien. Je vous ai dit que dans le code rural, nous avons deux dispositifs. Il y a un dispositif juridique qui est là, où on a les textes qui ont été des textes consensuels. Sur l'eau, comment en tout cas gérer l'eau Comment en tout cas euh, euh, euh, accéder à l'eau Sur la pêche, sur l'élevage, sur toutes les ressources naturelles. Il y a des textes qui sont là. Nous avons aussi un dispositif institutionnel qu'on a du niveau village jusqu'au niveau national. Au niveau village, qui est la cheville ouvrière, où nous avons ce qu'on appelle la commission foncière de base, qui est que le président de la, cette commission française des c'est l'autorité traditionnelle, c'est le chef du village. Autour de ce chef du village, nous avons les représentants de tous les acteurs. ceux qui produisent. On va, l'agriculteur. On va, permettre à nos auditeurs de comprendre. Donc, on va mm. prendre un exemple palpable. Dans mm. ce cas d'espèce où il y a eu euh, donc des euh, dégâts euh, au niveau donc du champ. Donc, comment régler ce conflit Très bien. Quelle est la première étape La euh, première étape. La énième étape. La première étape, en principe, c'est comme a dit l'autre, d'abord on, viole les, textes. En principe, nous avons des textes qui peuvent prévenir. On ne doit même pas avoir. Mais une fois que le dégât est là, c'est clair, c'est au niveau village qu'on peut régler ça. Qu'est-ce que le texte dit Quand il y a dégâts champêtres, l'agriculteur et l'éleveur peuvent se trouver la solution. Les deux peuvent se trouver la solution. Au cas où ils n'arrivent pas à trouver la solution, alors il faut aller chez le chef du village. Où il y a la commission foncière de base, où le chef du village est président. Dieu merci, nous avons déjà un décret qui dit de mettre en place ce qu'on appelle les commissions paritaires au niveau des villages. Qui sont là, ces commissions paritaires-là qui sont composées des sages du village, qui doivent aller voir sur le terrain qu'est-ce qui s'est passé exactement. Est-ce qu'il y a des gars ou il n'y a pas des gars Tout de suite là, M. Abbas vient de parler de protéger les cultures. C'est vrai, il y a des moments où on dit voilà quand est-ce qu'il faut protéger les cultures. Il y a des périodes qu'on appelle les périodes de libération des champs et les périodes de fermeture des champs. Toutes ces périodes-là, si ces périodes-là sont respectées, en principe, on ne peut même pas avoir les dégâts. Alors, le consensus qu'on appelle la conciliation, on va le trouver au niveau du chef du village avec les acteurs. Alors, s'il faut faire des négociations, il faut passer par d'autres acteurs, euh, comme on appelle, procédures traditionnelles. Dans tous les cas, c'est le consensus qu'on cherche. Quand il y a conciliation, alors il y a ce qu'on appelle un PV de conciliation qui sera dressé où on met la nature du conflit et qu'est-ce qui s'est passé. On met l'indemnisation. Est-ce que l'éleveur accepte Est-ce que l'alter accepte On arrive, on indemnise. Au cas contraire où il n'y a pas de consensus. il a pas consensus, il faut remonter en haut, au niveau de la commune, où c'est tout le chef de canton. Là aussi, c'est toujours les mêmes procédures. Le chef de canton va prendre le PV de non-conciliation, parce que si on n'arrive pas à se concilier, on prend le PV de non-conciliation, et on va, lui aussi, il va essayer de faire la même chose. Dans tous les cas, il faut éviter de se faire justice. Si au niveau du chef de canton, ça, n'arrive pas, on peut aller jusqu'au niveau du sultan, où on a tous les, mêmes acteurs qui sont là pour venir voir sur le terrain qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des dégâts, combien on estime le, dégât. Maintenant, on va chercher à indemniser. Au cas où on n'arrive pas de solution entre les acteurs, avec les autorités traditionnelles, dans ces cas, il faut aller devant les juridictions. Et là, nous voulons, nous en tout cas au niveau du Code rural, nous faisons tout pour que les gens ne puissent même pas partir au niveau des juridictions. Parce que c'est là où les gens vont se séparer en queue de poisson. C'est là où les gens vont souffrir. Les deux acteurs vont souffrir. Imaginez un juge qui ne connaît pas les réalités, qui lui aussi, il va essayer d'amener des gens pour aller voir l'expertise. Finalement, c'est là où la politique va intervenir, là où il y aura la corruption, où les acteurs ne peuvent pas s'entendre. Alors que nous pouvons trouver la solution au niveau en tout cas du village. Monsieur voilà. il y a sous de, de, Moribène, et je vous vois secouer la tête. Mhm. Bon, je, euh, que je, suis vraiment d'avis avec lui, que c'est au niveau supérieur même, au niveau village, il n'y a pas de problème le plus souvent, mais c'est surtout au niveau supérieur que les conflits sont mal réglés. Et si un conflit antérieur est mal réglé, eh bien, la personne peut, peut penser qu'il peut se faire lui-même justice que d'aller souffrir de l'autre côté. Est-ce que vous voyez Donc, franchement, il y a la corruption des chefs au niveau des chefs de village, chefs de canton et même les juges. En tout cas, euh, pourquoi je m'en vais pour preuve En tout cas, en 2007, euh, il y a Oxfam euh, Novib qui nous a aidés avec AREN à, régler les conflits. Il nous a formés et on est parti faire la pratique au niveau de Birningaure. Pas Birningaure, mais à côté de, comment on l'appelle, Goberi, un peu devant Goberi là. Donc, eh bien, les gens nous ont, aussi bien les agriculteurs que les éleveurs se sont plaints. Ils disent que c'est vraiment, les conflits sont mal réglés parce que vraiment on leur dit de vendre des vaches pour venir. Et il y a aussi les agriculteurs aussi. Eh, s'ils n'ont rien donné, on leur, on leur dit qu'ils n'ont pas raison. Est-ce que vous voyez Donc, deux fois, vraiment, eh, il y a la corruption qui fait que, même si tu as la vérité, tu ne peux pas euh, profiter de cette vérité Alors, avec tous ces tous ces acteurs, M. Abarchi Aruna euh, de la Reine, est-ce que vous avez peut-être euh, eu un cas concret d'un conflit qui a été vraiment bien, géré et bien réglé Bon, en tout cas, je ne connais pas un cas en tout cas qui a été bien géré parce que ça dépend peut-être de là où on se trouve. Hein. J'ai vu beaucoup de cas qui d'aucuns sont pendants devant les juridictions, d'aucuns ont été traités, jugés définitivement, mais chaque fois il y a des plaintes de part et d'autre. Si les éleveurs estiment que c'est bien fait, ce n'est pas le cas du côté des chez les agriculteurs et vice-versa. Donc je ne peux pas donner en tout cas euh, un avis ou du moins un exemple qui montre que voilà un cas de conflit qui a été eh, bien géré. Ah, ah, alors, euh, euh, je, donne la parole d'abord au président de, la plateforme paysanne, euh, J'arrive Toudiani, donc du, Code rural. Mais quand même, on, a remarqué une baisse de, ces conflits avec l'avènement du, Code rural. C'est pas, pas, pas pareil qu'avant. Oui, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est vrai qu'il y a eu le Code rural, mais il y a eu aussi l'effort des organisations des producteurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des actions d'information et de sensibilisation. Il y a eu des forums qui ont été organisés. Je prends juste le forum qui a été organisé à Birningaouré. Le premier jour, les gens avaient cru que les gens allaient se rentrer dedans. On a d'abord donné la parole aux producteurs, aux agriculteurs. Ils ont dit que les éleveurs, ce pas des gens sérieux. Ils les ont taxés de tout. On a dit, bon, mais la meilleure solution, c'est de les faire partir. Ils ont dit, non, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit, ils doivent respecter les couloirs, ils doivent respecter ceci, ceci, ceci. Lorsqu'on a donné la parole aux éleveurs, ils ont dit la même chose. Ils ont dit que les agriculteurs, c'est des, des gens qui ne sont pas sérieux. C'est des gens qui font, qui nous créent tellement de tort. Mais à la fin, on a trouvé quand même des mécanismes qui permettent aux gens de régler. Je, je prends juste le cas du code rural. Dedans, qu'est-ce qui est dit En cas de conflit ou en cas de dégâts, il y a d'abord entre les deux agriculteurs, l'agriculteur et l'éleveur, ils peuvent s'entendre pour dire que le dégât là, il équivaut à ça. Peut-être une botte, et on connaît le prix de la botte pendant la période et on donne à l'agriculteur. S'il est d'accord, c'est terminé. S'il n'est pas d'accord, c'est là où on va, on intervient au niveau du comité villageois. Le comité villageois est composé du chef de village, du représentant des agriculteurs, du représentant des éleveurs, le représentant euh, du, limon, le représentant des services techniques. C'est à ce niveau parfois que le travail n'est pas bien fait. Les gens ne font pas une bonne estimation parce qu'ils étaient, ils sont censés estimer pour dire que ce champ-là, s'il n'a pas été dévasté, il peut produire tant. Et c'est le nombre de bottes qu'on évalue pendant la période et pendant la, semaine. C'est-à-dire, on dit aujourd'hui, la botte coûte combien au marché S'il coûte 2000 francs, on dit qu'on multiplie 2000 francs selon le nombre de bottes qu'on pense endommagé. Une fois euh, qu'on est évalué, s'il s'accorde, on signe. L'éleveur signe, le représentant de l'éleveur signe, l'agriculteur signe. Là, c'est terminé, on clôt. Si maintenant, au cas où ils ne sont pas d'accord, c'est en ce moment qu'ils peuvent aller. Mais de préférence, une fois qu'on fait une étape, deux étapes, mieux vaut aller au niveau de la juridiction. Parce que qu'est-ce qui intervient C'est la politique qui intervient. J'ai quelqu'un de bien placé, c'est lui qui appelle euh, l'autorité pour dire que bon, j'ai un frère là-bas, tu vois. Donc ça prend une autre tournure. Donc ça veut dire, ça veut dire que euh, euh, je m'adresse à M. Toudianou, donc Aruna, du code rural, ce n'est pas simplement que des questions euh, d'élevage et d'agriculture. Si, si, on fait une bonne analyse de tout ce que vous avez dit autour, autour de cette table, y a-t-il réellement euh, autre chose qui se cacherait derrière euh, ce problème, ces, ces conflits entre agriculteurs et éleveurs Très bien. Pour, avant de répondre à cette question, je me dire que la commission foncière de base là peut régler tous les problèmes c'est parce que tout simplement, les gens parfois, ils ne respectent pas les choses, comme je vous ai dit. Sinon, l'évaluation, l'indemnisation, c'est au niveau du village. Et c'est vrai que les gens savent faire ça. Je suis désolé, les gens savent faire ça. C'est un refus, c'est une mauvaise foi. Parfois, c'est cette mauvaise foi où l'autre va dire non, non, moi je suis pas d'accord. Ce qu'on m'a dit de faire, l'indemnisation là, ça dépasse 5 bottes. Il faut aller devant. Mais c'est normal, il faut consommer toutes les étapes. Une fois qu'on a consommé toutes les étapes, il faut aller maintenant devant les juridictions. Et dans la commission française de base, c'est vrai, on, fait tout pour ne pas mettre le liman. Il n'y a pas le représentant de l'imam parce que parfois, si la commission française de base n'arrive pas à régler le problème, on peut faire appel au l'imam qui est une personne de ressources pour pouvoir régler un peu, aider les gens, en tout cas, à gérer le problème. Vous l'avez dit, je vous dis que parfois ce n'est pas lié même à la ressource. Alors, euh Il y a eu des conflits où c'est un petit mouton qui rentre, peut-être il n'y a même pas eu de dégâts mais parfois ce sont des conflits latents. Et je vient de le dire. Parfois, ce sont des querelles, des vieilles querelles que les gens vont activer et là, c'est le conflit ouvert. Nous avons des morts un peu partout. Et on regarde, parfois, il n'y a même pas eu de dégâts. On dit même l'animal, quand l'animal est blessé, quand un, élève, agriculteur n'est pas content, parfois il peut blesser l'animal. On dit que dans l'indemnisation, l'éleveur aussi a droit. Quand l'animal est blessé ou D'abord, on peut, il peut attaquer l'animal jusqu'à ce que l'animal peut mourir. On dit que l'éleveur, on va regarder ce que l'animal a causé comme dégâts, on va indemniser. Et l'animal aussi, on va essayer de voir ça coûte combien dans le marché local, on va indemniser l'éleveur. Tout ça, là, c'est pour éviter que les gens puissent faire justice soi-même. Et pourtant, les gens se font justice euh, eux-mêmes. Oui. Euh, euh de Moriben, quel commentaire euh, vous suscite donc euh, cette intervention du, Code rural en la personne de Toudjanou euh, Aruna Bon, le commentaire que je peux faire, c'est que, en fait, si vraiment les gens respectent les textes, il n'y allait pas avoir de conflit. Mais malheureusement. Y a il d'autres raisons qui cachent vraiment ces manquements Il peut y avoir des influences par-ci par-là, surtout avec le téléphone qui fait circuler l'information facilement. Donc euh, il peut y avoir des mains invisibles qui vraiment attisent le feu et qui peut amener jusqu'à à, ces situations déplorables de fois. Parfois dans les procédures même du règlement de, conflit, uh-huh. quand le nouveau village n'a pas l'expertise pour regarder la perte, on fait appel aux services techniques de l'agriculture qui sont capables de voir le carré rendement, combien en tout cas on estime cette surface-là, là où il y a eu le dégât, combien ça peut faire combien de bottes on peut avoir en, période de bonne culture. C'est en fonction de tout cela qu'on va calculer en tout cas les dégâts pour indemniser les gens. Ah, Aruna, Abarchi, j'arrive. Euh, je, donne la parole d'abord aux représentants de l'AREN. Et quel type de médiation dans ce cas faut-il mettre en place hein, pour définitivement résoudre euh, ces conflits Moi, je pense que pour véritablement réduire ce conflit, il faut qu'il y ait de larges sensibilisations pour que les gens s'acceptent dans leurs défauts et leurs euh, bonne euh, et leur différences. dans toutes leurs différences, il faut que les gens s'acceptent. Il faut bien que les gens sachent que c'est pas parce que ta chèvre est rentrée dans mon champ que ça va en tout cas m'appauvrir pour de bon jusqu'à ce que je veuille tenter à ta vie. Donc moi c'est ce genre de sensibilisation que je voudrais bien que les gens on parle de conflits latents. Vous êtes d'accord Moi, je suis d'accord qu'il y a des conflits latents parce que, voyez-vous, il se peut que euh, moi, enfin, que moi je te fasse des gars et puis tu ne réagis pas parce que c'est moi. Mais si quelqu'un le fait, c'est tout de suite. Donc il y a ces appréciations-là qu'il faut tenir compte. Ça, c'est très clair. C'est pour ça que je dis il faut que les gens s'acceptent. Ça a tout son sens quand je dis il faut que les gens s'acceptent. Donc c'est cela. C'est pour éviter que quelque chose de rien du tout peut-être montre à l'autre que c'est parce qu'il se fout de moi. Non, c'est pas cela, c'est peut-être un dégât qui est arrivé, eh bien, il faut les gérer tel avec toute la lucidité que cela peut requérir. Et ça, ça paraît très compliqué. Le euh, président donc de la plateforme paysanne, euh, M. Djibo euh, Alors, on, parlait tout à l'heure de justice, de, corruption, de justice qui ne fait pas son travail. Est-ce qu'il y a en réalité peut-être une façon d'arriver à résoudre ces problèmes oui, de mon point de vue, la meilleure façon, c'est de créer des cadres de concertation qui regrouperaient des agriculteurs, des éleveurs et l'ensemble des acteurs. Alors, et il est important que ces cadres de concertation puissent se retrouver périodiquement. En début d'hivernage, parce que c'est là où les animaux montent, et à la fin de l'hivernage, quand les animaux descendent. Ce serait intéressant que ces cadres de concertation se retrouvent pour dialoguer avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans les systèmes de conciliation. Parce que si on s'accorde que ça c'est un couloir de passage qui doit passer, il doit passer, quel que soit le, champ de l'individu. Maintenant, si, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous avons, nous avons vu, par exemple, après les forums on a convenu, par exemple, d'enlever des couloirs de passage. Plus que trois minutes, vous avez juste votre dernière intervention, donc euh, allez-y rapidement, parce que ça, on va donner la parole à tout de pour la conclusion. Je voulais, dire que on peut, euh, régler définitivement parce que les conflits, il va en avoir toujours. Mais je dis, à travers les cadres de concertation, à travers la sensibilisation, à travers la conscientisation, à travers aussi l'effort, parce que c'est vrai qu'on a créé des commissions. Il faut aussi mettre des dispositions pour que les commissions soient fonctionnelles. Monsieur, parce que s'il a rien. Monsieur Aruna Barchi, allez-y donc pour euh, votre dernière intervention. Ok. Vous savez, vous avez vraiment parlé du problème au niveau des différentes juridictions. Ça, c'est un constat réel. Et c'est même pourquoi et c'est à juste raison, hein, puisque, voyez-vous, au niveau de leur programme de formation, il n'y a pas le droit foncier. C'est pourquoi nous, on a organisé un atelier de formation de tous les présidents de tribunaux qu'on avait, en tout cas, on l'avait organisé ici pour qu'ils comprennent les textes du Code rural. Ça, on l'a fait. Et nous sommes en train de mener un plaidoyer pour que certains établissements, comme l'Université Elena, inscrivent dans leur programme dans leur curricula, ces modules de formation-là. Donc, je pense que eh, il ne faut pas peut-être d'un revers de main balayer, mais il faut aussi une question de formation. Ce n'était pas la réalité dans nos facultés à l'époque. Donc euh, voilà ce qui se passe. a sous de Moriben. Il faut se dire qu'à à notre niveau aussi, au, niveau de Moriben, on a fait une avancée par rapport à, euh, la prévention des conflits. les cadres de, de concertation dont Jipo a si bien parlé. En tout cas, nous, depuis une dizaine d'années, on a mis en place des cadres de, concertation qui fonctionnent très bien. Je m'en vais donner l'exemple de Danchandou. Il n'y a jamais eu de conflit depuis dix ans à Danchandou. Formidable, m'en vais aussi à, et à Palwal. C'est ce que j'allais dire, c'est formidable, un bel exemple. oui. Pour atténuer les conflits, il n'y a pas de miracle. C'est de d'appliquer les textes comme on l'a dit. Nous avons des textes consensuels, des textes qui sont forts, des textes que les autres pays viennent regarder pour aller appliquer ce jeu. Il faut appliquer les textes. Il faut châtier aussi les auteurs. Je pense qu'il faut châtier les auteurs. Nous pouvons aller en tout cas ensemble. Et vraiment notre vœu que le conflit puisse être résolu au niveau des villages on n'a pas besoin d'aller au niveau des juridictions. Le vœu de tous, fidèles auditeurs, merci infiniment d'avoir participé, d'être resté à l'écoute de cette émission. J'étais donc en compagnie de Aruna Toudjani du Code rural, Aruna Barchi de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger à Arène, de Monsieur Dibo Bagna, président de la plateforme paysanne, et de Dandakoy Iliassou, chargé de programme de Moribène. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.